forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.istudiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème Comment le sport peut-il contribuer au développement social et économique au Niger et quelles sont ses limites. Le sport est un ensemble d'exercices physiques euh, qui se pratiquent euh, sous forme de jeux individuels ou collectifs, pouvant donner lieu à des compétitions. Le sport est un phénomène presque universel dans le temps et dans l'espace humain. Plusieurs recherches montrent que les investissements sportifs euh, dans les pays en voie de développement sont bien moins importants que dans les pays industrialisés. En effet, de manière générale, le développement du sport n'est pas considéré par les gouvernants du Sud comme un impératif à incorporer dans le budget national. Mais la baisse des investissements dans le sport fait également baisser les chances de voir des athlètes accroître leur talent. Avec nos invités, nous allons voir comment le sport peut contribuer au développement. Nous avons donc le plaisir de recevoir Marou Amadou, président de la Fédération nigérienne de triathlon. Morou Amadou, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, Abdullah Hassan, président de la Fédération nigérienne de badminton. Abdullah Hassan, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mokhtar. Et au téléphone, toujours, Maître Alzuma Hamidou, secrétaire général de la Fédération nigérienne de Sambo. Maître Alzuma Hamidou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Marou Amadou, le sport peut-il réellement contribuer à développer un pays pauvre comme le Niger Merci Mokhtar. le sport d'abord, c'est comme vous l'avez défini, et je vais parler de trois choses qui appartiennent au sport. Allez-y. Ce qu'on appelle une, trilogie. Le sport d'abord développe le physique de l'homme l'homme tout court, c'est-à-dire que ça développe les, muscles, les articulations, ça développe euh, le système lymphatique, ça développe tout ce qui est physique en l'homme que l'on peut regarder, ou observer, ou ce, l'homme, euh, ce que l'homme utilise pour ses activités qui, qui améliorent la coordination du corps, qui améliorent les mouvement. Le deuxième aspect, le sport développe l'intelligence de l'homme, qu'il soit jeune ou, grand. Le sport participe à, la, favorisation du développement de, de, de, de la mémoire, de la connaissance, et ça donne un repos général et Le sport, pour le, troisième aspect, développe aussi euh, le caractère social de l'homme. C'est euh, le sport euh, qui donne un certain nombre de codes qui permettent entre les hommes de même âge ou des gens qui ne sont pas de même âge de vivre ensemble, d'accepter la différence d'accepter euh, tous les autres caractères. C'est par le sport et surtout avec la haute compétition, on a compris comment est le règlement, comment il faut se battre, comment il faut avoir le cœur. Donc, après ces trois aspects, je vais rappeler que le sport développe réellement l'environnement, économique. Moro Amadou, est-ce que c'est à cause de tous ces bienfaits que euh, l'éducation physique et sportive est maintenue et encouragée à l'école Bien sûr, Mokhtar, et l'éducation physique, euh, bon, beaucoup ne le pensent pas comme ça. C'est l'une des disciplines les plus importantes dans un euh, enseignement secondaire surtout, et même primaire, parce que le sport développe vraiment la qualité physique le sport développe l'agilité. Le sport et montre la différence qu'il y a entre les catégories d'âge et le sport donc permet de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et ça donne le mouvement et l'enfant a besoin de bouger et, c'est ça vraiment le caractère important et, et c'est ça pour cela que c'est vrai à l'école les élèves aiment les notes mais les élèves aussi aiment le sport en tant que tel il y a beaucoup d'élèves qui négligent euh, cette discipline. En fait, ils sont inconscients. Ces enfants sont inconscients, mais je pense surtout que il faut, ça appartient surtout aux éducateurs sportifs de montrer l'intérêt du sport. C'est pour cela, dans le sport, il y a un caractère qu'on appelle le jeu, le, le caractère ludique, faire intéresser la discipline par les différents exercices de jeu que l'on peut présenter aux élèves. Et je pense que chaque, chaque être humain, chaque homme, chaque enfant veut jouer parce que le jeu est très important et sans aller. Euh, le, jeu euh, cultive beaucoup l'esprit et je pense que euh, ce sa caractère est tellement important que quand vous sortez d'une heure de cours d'EPS, les élèves, d'abord, ils sont satisfaits et deuxièmement, ils ont été dominés. Et je pense que c'est important pour l'éducation de, de la jeunesse c'est très important le jeu et parce que ça développe beaucoup. Revenons Marou Amadou par rapport à la contribution euh, du sport euh, pour le développement d'un pays pauvre comme le Niger. Donc je reviens donc à la question comme vous l'avez dit au Niger, vous l'avez répété, le Niger est un pays pauvre comme on le dit, mais le sport peut bien participer au développement de ce pays pauvre parce que le sport d'abord investit beaucoup dans euh, la santé de l'homme. Et ce n'est pas pour rien que vous voyez au stade général Senkunche, les jeunes, les anciens, tout le monde part faire le sport. Au lieu d'investir 50 000 chaque mois pour aller à la pharmacie payer de, produits d'entretien, si l'on fait régulièrement le sport. Avec euh, la sédentarisation. Voilà. Donc, euh, quand on est sédentaire, comme vous l'avez dit, le sédentaire, c'est celui qui ne pratique pas le sport. Vous ne, vous allez beaucoup, vous n'économisez pas. Vous allez beaucoup dépenser pour maintenir votre santé. Alors que si vous partez faire des activités sportives régulièrement, je vous assure que vous allez économiser. Et donc, quand on ne dépense pas, on économise. Donc, le ministère de la Santé et le ministère de la Jeunesse et des Sports peuvent faire un partenariat réel et investir régulièrement dans le sport. Et ça, ça peut, au lieu de dépenser un grand budget pour la santé en payant des produits pharmaceutiques, on peut investir dans le sport et je vous assure que on investit peu et donc le, budget du Niger dans ce sens peut, euh, au lieu de galoper, peut euh, être réduit. Donc ça c'est une économie. Deuxièmement, quand on pratique le sport, surtout de haut niveau, on arrive à un niveau où on peut euh, glaner. En dehors des médailles, on glane aussi un peu de moyens. Je donne l'exemple, on n'a pas beaucoup de temps de aujourd'hui, qui a aussi beaucoup de sponsors aujourd'hui. Il a beaucoup de sponsors non seulement euh, pour lui-même, mais il a attiré l'attention des investisseurs dans notre pays. Et aujourd'hui, au niveau mondial, il peut aider le pays. On parle au Niger d'Alphaga, d'un certain nombre de sportifs qui atteignent le haut niveau, mais dans certains pays, mais dans certains pays, je vais parler de l'exemple du, Mali. Du Mali, euh, à côté de nous. Le Mali, ils ont beaucoup de, euh, de sportifs professionnels euh, qui peuvent envoyer des millions, 50 millions par an par mois à leur famille. Et imaginez le nombre de professionnels qu'il y a au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, et qui et, cet argent qu'ils envoient rentre dans l'économie de, de, leur pays. Donc, au Niger, je vous assure que nous avons aussi beaucoup de talents et que je pense que ces talents peuvent apporter beaucoup de, une grande contribution pour le développement du pays dans ce sens parce que, comme on dit, l'économie du sport est vraiment ça ce pays. Euh, maître Alzuma Hamidou, euh, l'État nigérien a-t-il aujourd'hui les moyens nécessaires pour correctement prendre en charge toutes les fédérations sportives au Niger euh, bonjour, bonsoir, euh, cher auditeur. Euh, moi, je pense que le sport, comme on le dit, les parents pauvres, de, le, les parents pauvres du, de, l'État, parce que c'est le seul qui c'est le seul sport qui n'est pas financé par l'État. Donc, il faudrait, il faut que l'État définisse les contours d'une bonne politique sportive et socio-économique euh, des jeunes, en réussissant le budget à au e sport. Ça, c'est un premier point. Il faut amener les jeunes, à, euh, la jeunesse, afin qu'elle ne s'adonne pas à la, drogue, au banditisme et autres. Donc il faut amener les, gens, les jeunes à s'intéresser au sport, développer le sport à la base en encourageant la pratique du sport dans les écoles, en créant des, écoles de sport, bien sûr, en conciliant le sport et l'éducation formelle. Donc, euh, comme euh, l'autre l'a dit, le sport, euh, c'est la santé. Et, il faut qu'il y ait une, jeunesse saine. Donc, le sport favorise l'intelligence. Et créer des centres de loisirs et de jeux. Parce que y a l'État doit mettre en place. Avant, il y a tellement de terrains vagues à Niamey. Mais maintenant, il n'y a plus de terrain. Vous allez faire 10 km, il n'y aura pas un seul terrain. Donc ces jeunes-là, s'ils n'ont pas, ils font pas le sport, ils vont s'adonner à quoi Ils vont faire autre chose que le sport. Ils vont s'adonner au, vol, au, banditisme et, autre chose, à l'oisiveté. Donc, euh, moi, je pense que l'État doit voir de ce côté. L'État doit investir dans le sport afin de créer des élites, afin d'attirer des investisseurs au Niger et faire connaître le Niger sur l'échiquier international. Donc, euh, en organisant des compétitions, des tournois et autres, donc euh, on, fait, on fera connaître le Niger et on fera amener des investisseurs. Et il faut bien sûr des jeunes qui vont aller à l'étranger. Quand on crée des, professionnels, ils vont forcément euh, amener des devises, ramener des devises au Niger. Donc, euh, sur le plan économique, vraiment, c'est un appoint Donc, euh, vraiment, il faut que l'État, il faut qu'on sente la présence de l'État au niveau du monde sportif. Maître Alzouma euh, le sport en général connaît aujourd'hui plusieurs dérives comme le dopage, la violence et la corruption qui font douter dans beaucoup de pays de ces bienfaits socio-économiques que vous avez tous énumérés. Comment pallier ou lutter contre euh, toutes ces dérives pour pallier à tout ça, il faut, il faut sensibiliser. C'est pourquoi j'ai dis, j'ai parlé tantôt de, la pratique du sport à l'école, la, la, pratique du sport en créant des centres de sport. Donc on peut, on arrive à sensibiliser la jeunesse au niveau euh, des, médias et autres, les réseaux sociaux et autres. Donc moi je pense que on doit sensibiliser à outrance pour amener la jeunesse à abandonner tous ses vices donc euh, la drogue, l'oisiveté, le, le, le, le, banditisme, mais même le, grand baptisme qui est le terrorisme. Donc aujourd'hui, pour les jeunes là, ils ne s'y retrouvent pas, c'est pourquoi ils, vont, ils font du, du, du banditisme. Donc moi je pense qu'il faut sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser les, jeunes afin qu'ils montrent les méfaits même de la, la, la, consommation de la drogue, les méfaits du, du, banditisme, le méfait de tous les autres vices auxquels euh, les jeunes s'adonnent. Euh, maître Alzuma Hamidou, il n'y a eu que très peu d'évaluation des impacts économiques euh, des projets sportifs dans les pays les moins développés. Pourquoi tout cela Bon, moi je pense que c'est comme on l'a dit, hein, c'est parce que l'État ne s'implique pas davantage dans le sport. Donc il faut que l'État amène les investisseurs, les projets et autres pour qu'ils qui consentent, parce que s'il n'y a pas d'évaluation, c'est parce que de l'autre part, il n'y a pas, il y a pas des, des, acteurs qui, sont censés à faire euh, le, le, travail. Donc, si les gens ne s'adonnent pas au, sport ou il n'y a pas les, les, acteurs qui doivent faire euh, les rapports pour, aux, aux organismes, je pense que bon, là, on est on fait du sur place. Au Niger, est-ce que le sport contribue au développement du pays Bon, pour le cas du Niger, moi, je, je, dis bien, je, m'inscris vraiment euh, sur, cette page vraiment le, sport, euh, jusqu'à présent, en dehors de, de l'émergence euh, de moi, je pense que on doit avoir d'autres AlphaGa pour qu'il y ait une émergence économique au Niger. Et si Alphaga seul est là, bon, d'ailleurs avec Alphaga eh, on voit que eh, même avec lui, il y a pas, il y a peu de d'investisseurs, mais il y a déjà quelques sociétés au gens qui sont en train de, de le parrainer. Mais si Alphaga est seul, c'est une, une goutte d'eau dans la mer. Donc il faut voir toute cette jeunesse-là qui, qui n'a pas eh, la possibilité d'émerger. De, de, Maintenant, si on arrive à faire intéresser et la jeunesse et tous les acteurs et les fédérations à faire, euh, à se développer davantage. Donc moi je pense qu'il y aura forcément une, euh, comment on appelle ça, une émergence socio-économique du Niger. Restez en ligne euh, le temps de donner la parole à Abdoulaye Hassan. Abdoulaye Hassan, peut-on faire euh, le lien entre le sport et la diplomatie Bien sûr que oui, il y a toujours un lien entre le sport et la diplomatie. Vous savez très bien que euh, grâce au sport, il y a des pays qui se sont imposés grâce au sport, il y a des pays qui sont arrivés à se faire connaître et à soigner leur image. Donc, il y a véritablement un lien entre le sport et la diplomatie. Ça, c'est sans aucun doute. Aujourd'hui, il y a des grands euh, sportifs qui sont devenus des ambassadeurs de leur pays et qui pètent la cause du pays. Ça, ça a été démontré dans les autres pays. Mais maintenant, si vous voulez, si on revient à notre pays, et si on revient à notre pays, c'est vrai que beaucoup reste à faire. Euh, le problème, c'est que euh, le sport n'est pas pris comme étant une priorité. C'est ça le problème. Autant on pense que la sécurité est une priorité, autant on pense que les questions alimentaires, c'est-à-dire et, sont c'est-à-dire prioritaires, autant on pense que la, santé également est une priorité, autant le sport est aussi une priorité. Parce que le sport, c'est à travers le sport également qu'on arrive à garantir une santé saine à cette population active. La population active, c'est la population jeune. L'idée qui consiste à dire qu'on est pauvre, moi je ne pense pas, moi je ne dirais pas qu'on est pauvre. C'est juste une question de choix politique. C'est juste une question d'orientation politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi Qu'est-ce qui est, ça veut dire le levier, c'est-à-dire du, développement, enfin, le levier euh, sur quoi on peut quand même s'apesantir pour booster l'économie On ne peut s'apesantir pour booster l'économie qu'en s'appuyant sur les droits valides les bras valides et la matière grise. Aujourd'hui, ça grille c'est les jeunes. Nous, notre chance, c'est que ça notre pays est une, a euh, une population très jeune. Donc, on doit quand même utiliser ça ce facteur pour essayer quand même, à travers le sport, pour, en tout cas pour tenter ou bien pour essayer de booster notre économie. Ablaï Hassan, comment atteindre euh, les objectifs euh, de développement durable à travers le sport Ce qu'il faut faire, c'est d'abord c'est-à-dire de définir une nouvelle politique visant, c'est-à-dire à prioriser le sport dans notre pays. Ça, c'est le premier facteur. C'est le premier aspect sur lequel on doit mettre le doigt. Prioriser le sport. Considérer que le sport est un levier du développement, un levier du développement. Parce que non seulement si vous investissez dans le sport, vous garantissez une, santé, du moins, dire euh, vous aurez quand même la chance d'avoir une jeunesse saine. Et qui dit jeunesse saine également, dit une jeunesse active. Abdoulaye Hassan, est-ce qu'il ne revient pas à vous autres responsables des fédérations de faire des actions de sensibilisation et de plaidoyer dans ce sens à l'endroit de nos autorités Mais vous savez, je l'ai toujours dit, on a beau chercher le naturel, ça revient toujours au galop. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a toujours la question des moyens qui, en fait, qui, revient à chaque fois. Nous, nous, nous autres fédérations, nous avons la délégation pour la délégation de pouvoir c'est-à-dire qui a été donné par le ministère de la tutelle, enfin le ministère de, tutelle, nous faisons de notre mieux pour essayer de sensibiliser. Nous faisons de notre mieux pour promouvoir le sport, pour amener ces jeunes-là à s'intéresser, à les faire comprendre que c'est-à-dire l'État a investi dans les sportifs. Et aujourd'hui, cest à il, il, il voit les retombées qui sont là vous prenez par exemple, sans pour autant sortir du cadre, aujourd'hui, il y a des internationaux qui sont payés à coups de millions. Aujourd'hui, des sportifs internationaux qui sont payés à coups de millions, qui aujourd'hui arrivent à gérer au-delà de leur famille des communautés parce qu'ils arrivent à faire des investissements au pays et ils arrivent également à observer quand même le taux de chômage. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, moi, je pense qu'indirectement, essayer quand même de prioriser, d'investir, parce qu'il n'y a pas meilleur euh, investissement euh, euh, que, le sport. C'est-à-dire, si vous investissez dans le sport, c'est que sûr, vous aurez demain des sportifs, des jeunes qui vont être en mesure quand même non seulement de défendre sa double pays, mais au-delà quand même d'investir. Et qui dit investissement parle également du taux d'absorption quand même du chômage dans notre pays qui est vraiment une gangrène aujourd'hui. Parce que qui dit population jeune dit aussi des, problèmes quand même d'emploi de, et d'employabilité. Donc, le problème qui se pose, et une question a été posée à un des professeurs. J'aurais souhaité que vous me posiez la question. Vous ah, avez, tout à vous avez tout à l'heure parlé de la question d'évaluation d'impact. Mais aujourd'hui, pour qu'il y ait une évaluation, mais il faudrait qu'il y ait des moyens. Pour qu'il y ait une évaluation d'impact, il faudrait qu'il y ait une expertise. Aujourd'hui, les fédérations qui sont là, ils ont l'expertise nécessaire chacune en ce qui le concerne, pour évaluer l'impact de leur action au niveau de leur discipline respective. J'ai dit non. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas formés. Ils devraient avoir une formation, c'est-à-dire au préalable, afin de permettre, c'est-à-dire à ces acteurs qui animent les fédérations, d'abord de faire le suivi, parce que quand il n'y a pas de suivi, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire prétendre faire une évaluation qu'elle soit une évaluation à mi-chemin, qu'elle soit une évaluation euh, d'effet, qu'elle soit une évaluation finale ou une évaluation d'impact. Vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, nous manquons d'abord euh, euh, d'experts ou du moins ça veut des gens qualifiés quand même pour faire ce travail. Ablaï Hassan, euh, pour parvenir à des résultats probants, il faut une euh, synergie d'action. Est-ce qu'il y a cette euh, synergie d'action entre les fédérations sportives au Niger mais c'est ça, c'est ça qui pose problème. la dernière fois, c'est-à-dire le débat précédent qu'on a eu à faire, il y a le président Mourou, en fait, qui a commencé, c'est-à-dire à vous, relater le problème qu'il Aujourd'hui, c'est-à-dire des fédérations qui sont censées également être dans leurs droits, aujourd'hui, ils ont des problèmes à se faire reconnaître. Donc, on ne peut pas parler quand même de cohésion. On ne peut pas parler ici quand même euh, du souci quand même d'aller ensemble. Parce que au vu, au regard du grand défi qui est là en face de nous, je pense que, nous devons faire bloc et prendre à bras le corps ce problème et essayer quand même à notre niveau de proposer quelques plus de réflexion et proposer au gouvernement, ou même, c'est-à-dire au ministère budgétaire, parce que nous sommes des collaborateurs, nous sommes des partenaires. Mais est-ce que ça même existe Nous sommes minés par nos, petites querelles, par des, des histoires qui, en réalité, ne sont pas de nature à faire avancer le sport. Marou Amadou, euh, l'utilisation du sport comme facteur de promotion économique dans les pays moins développés soulève toutefois quelques questions face auxquelles il faut rester attentif. Quelles sont ces questions-là selon vous Monsieur Mokhtar, vraiment les facteurs, les facteurs importants, c'est d'abord euh, l'investissement à la jeunesse. Et les moyens Il faut euh, avoir un certain nombre de moyens. Les moyens matériels, les moyens financiers et la politique. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au Niger, par exemple, pays pauvre, la politique euh, sportive encore a des difficultés d'adoption. C'est pour cela que le sport a un problème d'action. Euh, de, d'action. un prédécesseur avait parlé de la jeunesse. Et le Niger a une population très jeune. Et c'est une population qui est aussi euh, qui aime beaucoup le sport. Dans toutes nos fédérations sportives, au Niger, nous avons une trentaine de fédérations sportives et ces fédérations regorgent de beaucoup de jeunes. Et ces jeunes sont issus de différentes régions, des huit régions du Niger. Ces jeunes sont issus de, beaucoup de clubs. Ces jeunes sont issus de différentes disciplines sportives. Et ces jeunes, je pense que, ont besoin juste d'un matériel, d'un peu de moyens puisque au Niger, le sponsoring a des difficultés, a des problèmes. Mais l'État qui investit partout. président Morou est-ce que vous partez vers euh, les grosses entreprises pour rechercher des sponsors Je pense que je parle sous le contrôle de toutes les fédérations nationales au Niger aujourd'hui. Chaque fédération écrit une centaine de lettres, je ne me trompe pas. Et sur la centaine de lettres, on ne retrouve pas un seul financement, le euh, plus souvent. Est-ce que vous, vous avisez euh, à travers les demandes euh, l'appui du ministère Donc, je vous dis, la dernière fois, on en avait parlé, le ministère ou bien l'État du Niger a même instauré un fonds national pour le développement du sport au Niger. Ce fonds-là est logé au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et je vais dire, euh, c'est un fonds, donc c'est des moyens, un peu d'argent chaque année voté par l'Assemblée nationale et, qui sera réparti normalement pour aider le sport à se développer. Et très malheureusement, ce fonds euh, est très insuffisant. D'abord très insuffisant et quand c'est insuffisant, c'est le meilleur qui gagne. le meilleur, c'est peut-être celui qui a un peu plus de, de, de faveur ou bien celui qui, a, qui, le, qui, qui se lève le plus tôt, ou bien celui qui est un peu plus fort. Donc c'est ça malheureusement. Sur la trentaine de fédérations, il n'y a pas plus de trois ou quatre fédérations qui gagnent un peu de ce fonds-là. Et ce qui fait que beaucoup de nos sports, de nos fédérations, ne gagnent rien de ce fonds. Et les autres euh, sponsors les autres entreprises, qu'elles soient des entreprises de l'État ou des entreprises euh, privées, ne trouvent pas jusqu'à présent euh, l'opportunité d'aider le sport. Dans leur sponsoring, ils aident très peu. Imaginez pour un championnat national de 50 où il faut donner 50 millions, un sponsor vous donne 150 000 ou 100 000. Qu'est-ce que l'on peut organiser Rien. Donc, les fédérations au Niger sont dans des situations difficile. Et je rappelais que les jeunes sont intéressés, mais les jeunes n'ont pas les moyens d'aller au sport. Les jeunes n'ont pas, à cause de l'exigence du sport, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lever pour pratiquer un sport de haut niveau et avec aucun moyen. Ce n'est pas possible. Dans certains pays du monde, nous avons vu, je parle du Maroc à côté, un champion national, il a une subvention annuelle dans beaucoup d'autres pays, c'est comme ça. Ils ont un salaire. Dès que tu es champion national d'une discipline, tu as, tu as un salaire tout au long de l'année. Et, tu, et on met la concurrence. Tu, tu, tu ne travailles pas, tu perds ce salaire l'année suivante. Tu travailles bien, tu maintiens et tu vas aller accéder au niveau international où tu vas te frotter aux grands. Et il y a des fédérations, des confédérations africaines qui vont t'appuyer avec des centres et il y a les fédérations internationales qui vont aussi prendre en charge ton sponsoring, tes activités et jusqu'aux Jeux olympiques. Aujourd'hui, très malheureusement, sur 1000 sportifs que nous avons, nous ne pouvons pas leur garantir le transport pour aller au sport. Nous ne pouvons pas leur garantir euh, une petite ressource euh, d'alimentation après leur sport, parce qu'il faut récupérer, ils ne peuvent pas récupérer nous ne pouvons pas leur garantir un habillement. Les mises au vert Les mises au vert, préparer une compétition, c'est tout à fait très difficile. Alors, Marou Amadou, quelle est votre ambition et l'ambition de votre fédération pour le Niger Donc, moi, je pense que pour notre fédération, qui se trouve être la Fédération nigérienne de triathlon, nous avons l'ambition, premièrement, de faire en sorte que le ministère soit convaincu, ou l'État du Niger soit convaincu que... À travers des actions de plaidoyer. À, travers des activités, des actions et notre, euh, comment dit, notre euh, bonne volonté de faire le travail qu'il faut, sans moyen d'abord, de prouver que nous avons la capacité technique et politique. Et deuxièmement, l'ambition suivante, c'est d'aller vers les autres associations telles que le comité olympique et sportif nigérien qui doit reconnaître notre fédération et qui reçoit des appuis et qui doit appuyer notre fédération aussi et de convaincre la fédération internationale de triathlon au niveau et qui, qui voit nos performances mais qui sait aussi que nous n'avons pas suffisamment de moyens mais notre intérêt c'est que nous voulons montrer à l'international que le Niger s'intéresse à cette discipline et qu'il faut la développer. Maître Alzuma Hamidou, quels sont vos rapports entre le COSNI et les autres fédérations sportives au Niger On n'a pas vraiment de rapport avec le COSNI, parce que le COSNI a décidé, comme Mauro a dit, de ne pas reconnaître euh, un certain nombre de fédérations dont la nôtre. Donc, euh, du coup, on n'a pas de relation avec le COSNI. Le COSNI, je ne sais pas pour quoi, pour quel péché, le COSNI refuse de reconnaître euh, nos fédérations. Alors que nous sommes des fédérations légalement constituées par l'État et que le contenu lui-même est légalement créé par la même loi. Donc, par conséquent, je ne vois pas pourquoi le, le, refuse de reconnaître ces fédérations étant lui-même sous la même loi. Donc moi, J'en appelle à M. Idrissaka de, taire ses, ses ardeurs et vraiment de, regarder la jeunesse, cette jeunesse-là qui est là, et c'est des milliers de jeunes qui, jeunes qui sont là, donc euh, qui, ne sont pas reconnus par le, le conseiller, qui, qui veulent euh, faire le sport, qui veulent se retrouver dans le sport, mais que le conseiller est en train de bloquer. Et du moment où toutes les fédérations ont écrit individuellement et nous avons constitué un collectif de fédérations non reconnues par la, le COSMI. Donc, euh, nous avons écrit collectivement euh, au COSMI et au ministère, mais jusqu'à jusqu'à présent, aucune raison n'est avancée pour, pour nous, dire le pourquoi les fédérations ne sont pas euh, aller dans les, les, les considérations, interconsidérations. Donc le, le, sport, il est surtout que le sport, il est fédérateur. À travers le sport, nous sommes en train de, de, on peut euh, régler la cohésion nationale et sur le plan national et sur le, le plan international. Nous sommes des ambassadeurs du Niger à l'étranger. Donc moi je ne vois pas pourquoi les autres fédérations internationales nous ont reconnus, l'État nous a reconnus, on a on, est, on s'est légalement constitué je ne vois pas pourquoi euh, euh, une personne ou des personnes décident de, reconnaître ces, décisions. Moi, je, dis que vraiment, c'est un manque de considération même à l'État. Oh, maître Alzuma Hamidou, comment la Fédération nigérienne de Sambo peut-elle significativement contribuer au développement du Niger Nous, on n'est pas les mêmes objectifs que, la Fédération s'est assignée à travers le développement, la promotion du sambo ou du sport et le, développement socio-économique des, sportifs. Donc, euh, si la jeunesse se retrouve, si la jeunesse se, retrouve économiquement, socialement dans le, sport, moi je pense que nous, on a, a contribué euh, à quelque chose dans le, dans sport. Et surtout, quand on, est en train de faire reconnaître connaître le, don du Niger à l'étranger, par conséquent, il, va le sport, on peut venir beaucoup d'investisseurs et en créant des, des, compétitions internationales ici au Niger. en 2007, le Niger, nous, nous avons créé, nous avons organisé une euh, compétition, le championnat d'Afrique euh, du Sambo au Niger en 2007. Mais il y a beaucoup de pays qui sont venus et même la Russie est venue. Donc, c'est sous le plan économique, c'est quelque chose on a, on a, pris le palais de, de, de, l'hôtel Gawé et, l'hôtel euh, Solix. Donc, euh, on a hébergé les gens là-bas, on a hébergé les gens au village chinois et au, centre Donc, euh, sur le plan économique, on a, on a quand même contribué. Donc, moi, je pense que à travers le sport, on peut, on peut, on peut économiquement, et socialement développer ce pays. Et vraiment, il ne reste qu'à l'État de, de, de, pousser un peu et d'investir dans, dans le sport, c'est tout. Abdoulaye Hassan, depuis longtemps, des observateurs avertis du monde des, des, sports ont démontré une forte corrélation entre la performance sportive internationale et le niveau de développement économique national et par habitant. Ces observateurs ont ainsi pu prédire avec exactitude le nombre de médailles qui seraient gagnées par les pays participants aux Jeux olympiques. Comment expliquer tout ceci, Ablaï Hassan on n'a pas besoin d'être un expert pour faire ce genre de calcul. Et on a bien dit que ça dire le sport, ce n'est pas du hasard, c'est de l'investissement, c'est comme de la formation. Aujourd'hui, c'est-à-dire entre quelqu'un euh, euh, qui investit plus, par exemple, je, euh, je vous prends un exemple, entre quelqu'un qui investit qui investit plus dans la formation de son enfant, par exemple, c'est-à-dire dans grande école, et quelqu'un qui juste, c'est-à-dire se contenter quand même, c'est-à-dire d'envoyer juste son enfant à l'école et que le suivi n'est même pas assuré, on n'aura pas les mêmes résultats. C'est ce que j'ai dis. Tant qu'on a ce souci d'avoir des résultats, il faudrait euh, penser quand même à revoir la politique du sport au Niger. En quoi faisant, je dis, c'est-à-dire en faisant le plus d'investissements et l'investissement, là, c'est les moyens. C'est les moyens, il n'y a, pas, quatre chemins à suivre. Si plus vous investissez, plus vous avez des raisons. Plus, c'est-à-dire, euh, plus quand même le, sport est considéré comme, c'est-à-dire, je ne sais pas, un domaine de, second rang ou je ne sais pas, qui n'est pas prioritaire. Mais écoute, on va rester tel que nous sommes. Tel que nous sommes, il n'y aura pas de changement. Donc, c'est ce que j'ai dit, le sport doit être considéré comme un levier de développement. Ablaï Hassan, maintenant, comment rectifier le tir au Niger mais pour, rectifier le tir, j'ai dit, il faudrait d'abord passer par quand même l'adoption quand même d'une politique de sport au Niger. Si, euh, si ça n'existe pas, je n'ai pas connaissance quand même d'une politique de sport au Niger. Il faudrait, de la même manière que dans tous les domaines, dans tous les secteurs, il y a une politique de développement. Et de cette même manière, il faudrait qu'au niveau du sport également, qu'on pense déjà à avoir une politique de sport du développement du sport. Et tout à l'heure, un, de mes, un de mes collègues a parlé du fonds qui est là. Moi, je pense que le fonds, là, il est insuffisant au vu du travail qui est attendu de cette fédération. Ablaï Hassan, rapidement, quelles sont vos ambitions, l'ambition de votre euh, fédération, la Fédération nigérienne de badminton pour le développement euh, socio-économique du Niger En tout cas, nous, nous ambitionnons tout d'abord quand même ça à dire de renforcer quand même euh, la, cohésion sociale. la première question que vous m'avez que vous m'aviez posée, c'est de savoir est-ce que le sport contribue à la diplomatie. Je dois d'abord vous rappeler que chaque année, par exemple, la Fédération nigérienne de badminton, ça, ça fait maintenant trois ou quatre années, organise une compétition amicale avec l'ambassade de la République populaire de Chine. Donc, l'objectif visé à travers cette compétition amicale, c'est d'abord de raffermir les liens d'amitié et de solidarité entre nos deux communautés. Et de deux également, c'est de faire en sorte également euh, que, c'est-à-dire euh, euh, nos sportifs, c'est-à-dire arrivent également à se former à travers ces compétitions, parce que nous n'avons pas quand même les moyens, c'est-à-dire d'envoyer, c'est-à-dire nos, nos sportifs à des formations de haut niveau. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de trouver des astuces à travers ces petites compétitions qu'on pourrait organiser ça. Et là, à travers la participation, l'organisation de certains championnats qu'on pourrait faire au niveau national pour essayer quand même de rehausser, c'est-à-dire le niveau quand même de nos athlètes. C'est ça le plus important. Maître Alzuma Hamidou, rapidement, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions euh, pour que l'ensemble des disciplines sportives puissent véritablement contribuer au développement socio-économique du Niger rapidement Bon, moi je pense que euh, il faut toutes les fédérations doivent aller en synergie euh, vers un même but euh, et en concertation avec toutes les, fédérations définir, définir le cadre du développement du, du, du, sport au Niger. Et puis, même moi, je dis, il ne faut pas exclure aussi qu'il qui, qui, est les états généraux du sport, et pour que vraiment le sport est, dans, au, plus bas niveau au Niger. Donc, il faut qu'on crée les conditions du développement et de l'émergence socio-économique de, de, de, la jeunesse nigérienne. Moro Amadou, en, 10, secondes. Oui, merci. Et je saute sur son occasion de dire que nous devons organiser les états généraux du sport euh, qui a pour objectif de toiletter les textes par rapport à la pratique du sport au Niger et d'exiger la cohésion qu'il y ait entre les différentes structures, l'État du Niger, le Comité olympique et sportif nigérien et les autres fédérations nationales. Cela pour amener la sérénité au sport et ensemble chercher les moyens de son développement. Voilà, la pratique du sport est un moyen reconnu pour euh, euh, promouvoir la paix. Il euh, surpasse les limites des frontières géographiques et les classes sociales. Il joue aussi un rôle significatif dans la promotion de l'intégration sociale et du développement économique dans les différents contextes géographiques, culturels et politiques. C'est pourquoi l'État du Niger a le devoir de s'impliquer et de soutenir véritablement toutes les fédérations sportives afin qu'elles contribuent elles aussi au développement économique euh, du Niger. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Marou Amadou, président de la Fédération nigérienne de triathlon. Au téléphone, Abdoulaye Hassan, président de la Fédération nigérienne de badminton. Au téléphone, toujours, Maître Alzuma Hamidou, secrétaire général de la Fédération nigérienne de Sambou. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Isidio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.